le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme d'Istudio Studio Kalangou. Tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du, forum d'Istudio Studio Kalangou. studio Kalangou que vous écoutez à travers le réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. Nous, reçoivent, également les populations d'Arlit, de Kirozerine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filangué, Birningaure, Dolbel et Saï. Ce soir, nous allons parler de la lutte contre la corruption, celle des détournements des deniers publics, avec à la clé depuis la semaine dernière des interpellations en cascade contre d'anciens hauts responsables d'office ou de sociétés d'État. Vous entendrez à ce sujet des commentaires et analyses venant d'un acteur de la société civile nigérienne et des analyses d'un juriste. Toujours dans ce domaine de la lutte contre la corruption, vous suivrez dans ce forum le vice-président de la HALCIA, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, relativement au rang du Niger dans le nouveau classement 2017 de transparence internationale. Selon ce rapport, cette année, le Niger est classé 101e sur 177 pays classés contre 99e sur 168 pays classés en 2016. Enfin, le département des arts et communications de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Moumounou de Niamey organise depuis hier une formation de cinq jours sur le module critique d'art en théâtre et cinéma. De quoi s'agit-il exactement À suivre les réponses de la coordinatrice de cette filière, Antoinette Tijani Alou, dans ce forum. La lutte contre la corruption, les passe-droits et le détournement des deniers publics, tant voulu par le régime en place, semble bien démarrer avec une allure qui ne risque pas d'inquiéter beaucoup de monde. Ainsi, depuis plus d'une semaine, des vagues d'interpellations de personnalités politiques et d'opérateurs économiques ont eu lieu à la police judiciaire des cadres du ministère des Plans, des anciens responsables de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, de l'Office des produits vivriers du Niger au PVN, du barrage Kandaji, entre autres figures parmi les personnes interpellées. Ils ont passé à la police judiciaire pour des affaires dont certaines remontent aux années 2004 à 2005. Quelle analyse juridique faire de ces interpellations Peut-on parler en la matière de prescription de délits, vu que certaines affaires ont ont dépassé le cap des 10 ans, notre collègue Amadou Moumouni s'est entretenu avec le juriste Maina Karté. Je vous propose de suivre leur entretien. Toute initiative euh, provenant des pouvoirs publics est destinée à réprimer des atteintes très graves euh, à la chose publique, particulièrement les, les, délais publics, et les salutaires. on s'en souvient, lors du premier mandat du président Issoufou, il avait été annoncé, la lutte contre l'impunité, la bonne gouvernance, etc. Mais dans les faits, cela ne s'est pas traduit. Je pense que euh, là, on assiste à un réveil. Un réveil qui n'est pas tardif dans la mesure où, en matière d'assainissement, vous venez de le dire, l'été remonte à 2004, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de retard. Donc, je pense que euh, c'est mieux vaut tard que jamais, parce que euh, vous voyez, c'est des très grandes infractions. Euh, c'est même euh, souvent criminel. Donc, moi, je salue cela. Je pense que c'est tout à fait normal. Et si le président se réveille maintenant, je pense qu'il faut continuer avec un peu plus de vigueur en fouillant dans toutes les administrations de l'État pour voir tous les manquements au bien public et les réprimer vraiment conformément à la loi. Une affaire qui remonte à 2004-2005, euh, est-ce que ça ne tombe pas sous le coup de ce qu'on appelle le délai de prescription Peut-être c'est l'occasion de nous expliquer d'abord. Ici, la, la prescription, c'est tout simplement l'impossibilité euh, de lancer une action publique contre certains faits en raison euh, de, du temps qui est écoulé. Bon, 2004 aujourd'hui, euh, ça fait 13 ans. Donc je pense que maintenant tout dépend de la qualification que les juges vont donner. Hein, la, prescription de l'action publique, je pense pour les peines, pour les infractions criminelles, je pense que ça doit être 20 ans. Alors ça doit, ça tout dépend de la procédure. Je ne suis pas dans le secret de la procédure, Là, c'est des éléments qu'il faudrait rester, qu'il faudrait laisser à l'appréciation souveraine du juge euh, d'instruction. Mais euh, le sentiment que j'ai des faits qui remontent à 2004 ne doit pas pouvoir être euh, prescrit parce que tout dépend aussi des montants. Quand les montants sont colossaux, je pense qu'on frise la question criminelle. Ici, tout ce qu'on veut, en fait, et la véracité des faits est-ce que les faits dont s'agit sont véritablement réalisés Tout ce qu'on veut ici, c'est qu'il faudrait éviter les, chasses aux sorcières politiques. si c'est fait à l'effet d'assainir les finances publiques, à l'effet de traduire la bonne gouvernance en actes, je pense que eh, la question de prescription est un petit élément. Parmi les personnes euh, interpellées, euh, certains sont déjà libres pour, il me semble, parce qu'ils ils ont payé des cautions et d'autres sont finalement déférés en prison. Est-ce que si, on s'en tient à cela, on ne peut pas parler de deux poids, deux mesures Vous savez, euh, il faut éviter de perdre deux choses. Celui qui a détourné, dans un premier temps, il faut essayer de trouver quelque chose avec lui. S'il est évident, il est bien vérifié qu'il a détourné, par exemple, 30 millions, eh bien, il faut essayer de trouver 30 millions avec lui. C'est vrai, en donnant 30 millions, ça ne ça n'efface pas l'infraction, elle est toujours là parce qu'elle a commis une faute. Il faut euh, verser l'argent, mais aussi il faut sanctionner la faute en tant que manquement aux lois et règlements de la République, en tant que dégradation de la morale. On a vu les dernières années là, des gens accusés de détournement, on les arrête en prison au bout de trois mois de liberté provisoire. Ils n'ont pas vu la prison, ils n'ont rien remboursé, et l'affaire, elle est, elle, est, elle est classée comme ça. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise chose. Il faut le faire à l'instar de certains pays comme le Nigeria voisin, où le premier réflexe dans la poursuite, c'est de euh, recouvrir d'abord ce qui a été enlevé à l'État. Si il y a des mécanismes qui permettent de, de mettre à l'État de rentrer dans ces droits, je pense que c'est tout à fait, euh, tout à fait normal. Il faut d'abord euh, commencer par ce genre de transaction. Là, je pense qu'il faut transiger d'abord. Il faut transiger. Si la transaction apporte quelque chose, tant mieux. Mais il ne faut pas aussi euh, oublier le côté parce qu'il y en a, ils peuvent euh, commettre des infractions euh, plusieurs fois s'ils savent que juste en payant, ils vont rester en liberté. Donc il faut euh, regarder ce, cas aspect-là aussi de répression. Ceux qui ne peuvent pas payer sont en prison quand même, <laughs> mais les autres sont en liberté. Il n'y a pas un torse à la loi Oui, ceux qui ne peuvent pas payer, euh, ils doivent le payer d'une certaine façon. Je pense qu'il n'y a pas un torse à la loi. c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas payer. Alors là, c'est au niveau du tribunal. Maintenant, le juge va essayer de voir euh, ce qu'il ne peut pas payer, quelle est l'infraction, quelle est la, sanction qui correspond. Est-ce que la lutte contre la corruption, au vu de ce que vous voyez, de ce qui se fait, passe actuellement, euh, elle est sincère La lutte, je fais partie des gens qui ont euh, dénoncé il y a quelques années, quelques mois, la manière dont on prétend vaincre l'impunité. Bon, je pense que si déjà ces derniers, ces derniers jours, il y a beaucoup d'investigations euh, euh, qui sont en cours, d'autres sont en cours, et il y a des interpellations, on ne peut que croire à la sincérité. Je pense que euh, là, le président de la République est en train, enfin, de combattre l'impunité. Maintenant, il faut agir partout, dans tous les camps, dans tous les bords. Tous ceux contre euh, qui des éléments ont été établis, il faut l'interpeller et, et étudier les mécanismes pour recouvrer l'argent qu'il a pris, euh, l'argent des pouvoirs publics qu'il a pris. Donc je pense que euh, moi personnellement, je crois à cela. Mais vous savez, euh, on a besoin toujours du recul pour apprécier la sincérité d'une action. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Est-ce que ça sera continué et poursuivi euh, Est-ce que ceux qui ont été arrêtés vont être euh, relâchés au gré de leur allégeance ou bien au gré de leur, ou bien selon leur couleur politique Bon, je pense que pour l'instant, nous ne sommes pas là, mais je crois, crois, je crois vraiment à la sincérité de cette action et je pense que euh, le président de la République doit poursuivre cette opération euh, de répression de toutes les infractions en matière économique et financière Certains médias avancent plus de 300 dossiers. Ça veut dire que euh, même ceux qui sont avec lui vont, vont, payer. Hein. Ça ne me surprend pas qu'il y ait des centaines de dossiers. mais ce qui serait surprenant, c'est quand les dossiers seront traités de façon sélective, effectivement. Là, ça serait une euh, grosse surprise. Donc, je pense que s'il y a 300 dossiers, ça veut dire que même dans les camps des partisans du pouvoir, il y a des gens qui ont commis des manquements. Et d'ailleurs, euh, même euh, parmi ceux qui sont déjà arrêtés, là, je il y a quelques-uns qui appartiennent à des partis politiques soutenant la majorité, la, la soutenant l'action du chef de l'État. Donc, ça doit être poursuivi au niveau de tous ceux qui ont détourné tous les partis politiques, tous les bords, tous les serrailles, tous les clubs politiques, ici on en trouve des, gens qui ont commis des manquements, je pense qu'il faut, faut réprimer cela. Voilà, vous venez d'écouter Mena Karte, juriste nigérien. Je le disais en début de, ce forum, des interpellations de personnalités dont l'objectif était de faire rembourser dans un premier temps à ceux qui sont mis en cause les sommes dues en contrepartie de leur liberté. Ceux qui ont obtempéré, ceux qui ont payé, donc, ont dû être libérés et certains gardent prison, ceux qui n'ont pas pu payer les sommes en cause. Nous vous proposons à présent de suivre des commentaires par rapport à cet état des faits d'acteurs de la société civile. Nassir Oussedou, coordinateur de l'organisation La Voix des Sans-Voix, que je vous propose d'écouter. Commençons d'abord par dire que vous ne pouvez développer aucun pays du monde tant que vous ne mettez pas un accent particulier sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les biens d'un pays, on les sécurise d'abord pour pouvoir faire des actions de développement. Donc vous serez d'accord avec moi, même s'il y a une pluie d'argent sur le Niger, tant qu'on ne sécurise pas cet argent, tant qu'on ne lutte pas contre la corruption, les gens vont les dilapider. Il va pleuvoir 24 heures sur 24, ils vont dilapider 24 heures sur 24 et le pauvre paysan qui attend des actions de développement ne verra rien. Donc, notre pays souffre de ce mal. Tout le monde est d'accord. Nous avons toujours décrié lutter contre la corruption, sécuriser les biens publics, ceci, cela. On ne nous a pas entendus. Aujourd'hui que la chose est commencée, c'est une très bonne chose et vous voyez les sourires sur l'ensemble des Nigériens, sur les lèvres de tous les Nigériens. Les gens sont d'accord que trop c'est trop, il faut arrêter. Les gens ont transformé les biens publics du Niger aujourd'hui comme des héritages. Quelle que soit la portion de responsabilité que vous avez, si vous êtes un ministre, un DG à l'Assemblée nationale, partout, un simple fonctionnaire, dès qu'il y a des biens publics dans votre main, vous voulez détourner allègrement parce qu'on ne fait rien, parce que rien ne va se passer, vous êtes protégé. Donc, maintenant, à la surprise générale, je précise bien, à la surprise générale, nous constatons que des vagues d'arrestations sont en train de s'opérer et il semblerait que des gens soient en train de rembourser ce qu'ils ont détourné. Et par conséquent, certains soient libérés, d'autres qui n'ont pas payé sont en prison. Pourquoi vous dites à la grande surprise On ne s'attendait pas à une telle opération Exactement. Nous, nous ne nous attendons pas à ça. Et vous serez d'accord avec moi que beaucoup de Nigériens ont considéré que lutter contre la corruption ou en parler, c'est un c'est une perte de temps. Du point de vue de cette lutte contre la corruption, dans tous les discours du président de la République, dans tous les discours du Premier dans tous les discours des autorités, ça revient. Mais les actions dans les faits, c'est maintenant qu'on commence par les constater. Et c'est pourquoi je parle de surprise générale, parce que vous serez d'accord, quand on fait 5 ans, 6 ans en train de parler de quelque chose qu'on a du mal à concrétiser, à matérialiser, quand ça arrive, on est obligé de parler de surprise générale. Et nous souhaitons bien que cette traque des, des, indélicats, cette traque des gens qui ont mis, qui ont fait même bas sur les biens publics, qu'elle continue et qu'elle ne soit pas sélective. De la manière dont elle a commencé à se faire, nous sommes d'accord que c'est des anciens dossiers, que c'est ceci, que cela. Mais il faut que ça quitte les anciens dossiers, que ça arrive au nouveau dossier et que l'opération continue jusqu'au bout de manière à ce que les biens publics soient sécurisés. Est-ce que pour son efficacité, euh, cette opération de lutte contre les détournements des deniers publics, euh, des dilapidations, ne doit pas aller au-delà de, de considérations politico-politiciennes Voyez-vous, ce genre des opérations dans tous les pays et au Niger en particulier. Dès qu'on commence ça, les gens vont dire non, c'est politique, c'est sélectif, c'est ceci, c'est cela. Nous avons demandé des choses des années. Maintenant que ça a commencé, nous, on n'a rien à foutre. L'important, que ça soit politique, que ça soit endémique, que ça soit où ce que les gens veulent, les gens veulent voir la réalité. Ces Nigériens qui sont en train de rembourser l'argent, ils ont détourné, oui ou non. Même si c'est pendant la période que tu a détourné ou pendant la période qu'on doit te faire rembourser. Donc, nous attirons l'attention des Nigériens. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ces genre d'idées, que c'est politique, que c'est sélection. Quelle que soit la forme que ça va prendre, le plus important que le Niger rentre dans ses droits. On n'a rien à foutre. Il ne faut pas distraire les Nigériens. Si c'est politique, pourquoi tu as détourné à telle ou telle période c'est bien normal que ça commence par une période donnée, X, et nous voulons que ça arrive à Z. C'est très clair, c'est l'intervalle qui nous intéresse. Ça a commencé maintenant, il faut que ça continue. Mais nous sommes d'accord, ça a commencé par une période, il faut que ça arrive jusqu'en 2016. Alors, est-ce que vous pensez que n'eût été cette période difficile financièrement dont, fait face le pays et, cette opération aurait pu euh, voir euh, des lueurs d'espoir de, Dans tous les cas, le Niger a besoin d'argent depuis qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une période où on va dire un pays n'a pas besoin d'argent. Le plus important, ce n'est pas de voir que le pays est dans des difficultés ou ceci ou cela. Non. La sécurisation des biens publics, même si vous êtes le, le plus riche pays du monde, elle est nécessaire. Si aujourd'hui ce n'est pas nécessaire en Chine, on n'allait pas lutter contre la corruption, on n'allait pas prononcer la peine de mort à ceux qui ont détenu les biens publics parce que la Chine a suffisamment d'argent pour, pour se prendre en charge. Donc, et pour les pays pauvres, et pour les pays riches, la lutte contre la corruption est un devoir pour les dirigeants. Mais je suis d'accord à une certaine époque de l'histoire, la politisation de la chose publique a fait en sorte que c'était difficile de lutter contre la corruption. Nous avons crié, nous avons dénoncé, nous avons dit que arrêter la politique politicienne, lutter contre la corruption, c'est le seul moyen par lequel on peut développer ces pays. Le président de la République va aller chercher l'argent partout dans ce monde. Quand il ramène ça, ils vont détourner ça ici. Et à quoi ça sert de perdre son temps à chercher qui, les jette de Donc je pense que nous avons pris une option, celle-là qui doit être soutenue par tous les Nigériens. Si tu as détourné l'argent public, même si c'est de 1980, nous, nous voulons tout simplement que ça commence et ça arrive jusqu'à 2016, les détournements de 2016. C'est tout ce que nous voulons. Et quand on le fera comme ça, celui qui est en train de gérer l'argent en 2017 là ne va pas détourner parce qu'il sait qu'en 2019 ou en 2021, une autre opération va se répéter comme ça. Mais je pense que le plus important, c'est que ça continue, que ça ne soit pas sélectif aussi, que ça ne soit pas politique. Notre souhait, que tout celui qui a mis la main sur les deniers publics qu'il les rembourse. Mais mieux, il faut dépasser le stade qu'on a entendu de quand tu rembourses, tu t'en vas. Non, en poussant l'analyse, on comprend aisément que si on dit seulement que vous avez détourné 100 millions. Vous les remboursez ou vous versez une caution de 50 millions, on vous libère. Ça, ça met l'État dans ses droits de détournement, mais ça ne sécurise pas les biens publics à l'avenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si je rembourse aujourd'hui les 100 millions, demain si j'ai une fonction, je vais dilapider encore le temps qu'on me voit. Si on ne me voit pas, je continue. Donc voyez-vous, au-delà du remboursement, il faut qu'il y ait l'aspect pénal. C'est l'aspect pénal qui fera en sorte que les gens aient peur de dilapider il faut payer, tout le monde va, va prendre et payer. C'est-à-dire qu'on en alors. Or, l'aspect pénal, lui, il fait en sorte que quand tu vois les biens publics, tu vas les laisser tranquilles. Parce qu'un jour ou un autre, on va vendre tes maisons, on va vendre tes immeubles, on va vendre ce que tu as eu, tes jardins et autres là, pour rembourser l'État. Et en plus, tu vas aller en prison, tu, seras l'un de ta famille. Mais si l'être humain n'a pas peur d'aller où que ce soit, je vais détourner. Et après, bon, quand on me voit, je paye. Si on ne me voit pas, il n'y a pas de problème, je fais les immeubles pour mes enfants, ainsi de suite. Donc, je pense que cette formule de payer et libérer, là, ce n'est pas une bonne solution. Il faut qu'il y ait l'aspect pénal. Même aux yeux de l'opinion nationale et internationale, surtout internationale, les gens ne peuvent pas comprendre une justice qui libère des voleurs parce que tout simplement, ils ont payé. Alors tout simplement, on demande à tout chacun d'être voleur potentiel. Maintenant, quand on te voit, donc tu payes. Je pense que ce n'est pas la solution. Il faut payer, il faut purger la peine du point de vue pénal et créer les conditions qu'à l'avenir, les gens ne touchent plus à l'argent public. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la mode. Vous entendez dans toutes les voies, dans toutes les rues, les gens vous disent « bah, à commis, il faut manger, bah, à commis ». Alors que, bah, à commis, c'est ça qui amène ce pays dans cette situation. On ne peut jamais développer un pays où l'ensemble des citoyens considèrent que les biens publics, c'est un héritage, tu peux le tenir comme tu veux. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit, même si on ne fera plus d'argent sur le Niger, vous allez voir, les paysans ne vont pas avoir de l'eau à boire, ils ne vont pas accès à l'école, ils n'ont accès à aucune action de développement parce que un seul individu va prendre la part de 7 millions de Nigériens et il va s'asseoir tranquillement en train de manger et de narguer les Nigériens. Il faut que cela s'arrête et nous pensons que ça va s'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qui peut augmenter, accroître l'efficacité de cette lutte, euh, de cette lutte entamée euh, pour euh, lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics Premièrement, il faut que l'ensemble des Nigériens apportent leur soutien à cette opération. Qu'on ne se laisse pas distraire par ces dossiers politiques, ces dossiers sélectifs, ceci, cela. Non, c'est des Nigériens qui ont volé l'argent de l'État à quelque période que ce soit il faut qu'il rembourse. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut que le politique s'éloigne le plus que possible de cette affaire. Le euh, procureur de la République, en parlant, a donné des gages aux Nigériens qu'il n'y aura pas d'interventionnisme politique que les gens vont payer. Donc, le politique, au sommet de l'État, doit s'écarter de cette opération et laisser la justice nigérienne continuer son travail. Maintenant, deuxièmement, il faut que aussi le procureur de la République ou les gens de la loi, de la justice qui sont censés faire ce travail-là, se disent qu'ils une confiance du peuple, qu'ils ont une mission du peuple et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de l'opération parce que cette opération arrange le Niger, parce qu'ils ont fait le serment de le faire et ils vont le faire. Et je crois que les trois conditions réunies feront en sorte que cette opération avantage le Niger et elle ira jusqu'au bout. À la matière, il y a une institution, notamment la HALSIA, la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À ce jour, quelle appréciation portez-vous sur, euh, sur le travail que cette institution est en train d'abattre Vous savez, l'absence de ce genre de résultats concrets ont fait que nous nous sommes prononcés toujours pour dire que durant cinq ans, l'Alsace n'a rien foutu. Puisque nous nous attendons à ce que des dossiers soient ficelés par la Haltia, transmis à la justice et avec des suites favorables. Ce genre de choses où les gens vont passer remboursés et d'autres seront sanctionnés. Mais l'absence de Résultat concret. Le mythisme de la Halcia, parce qu'ils se sont cachés toujours derrière qu'ils ne parlent pas, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela derrière leur texte, on fait en sorte qu'aujourd'hui, si vous questionnez l'ensemble des Nigériens, ils vous diront que la Halcia n'a rien fait. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'elle fait et elle-même, elle ne communique pas pour qu'on comprenne ce qu'elle fait. Elle, se, plaît dans ce mythisme de, elle est empêchée par les textes de parler ceci, cela. Donc, nous, en tant que profanes, et les citoyens en général vont dire que l'Algérie n'a rien fait. Mais aujourd'hui que le procureur de la République se serve des dossiers, il semblerait, certains sont de la d'autres dossiers, d'autres sont des instructions d'État, d'autres sont ainsi de suite. Il y a plusieurs dossiers qui proviennent de part et d'autre. Et souvent même le procureur s'autosaisit lui-même. Donc ce genre de choses, une fois compilées, le plus important que nous, nous ayons un résultat. Et ce résultat aujourd'hui, Dieu merci, on a commencé à l'avoir. Vous entendez parler sur l'ensemble du territoire national qu'il y a des interpellations, qu'il y a des grosses pointures dont les gens pensaient avoir des protections. Elles n'en ont pas. Certains sont en train de payer, sont en train d'aller en prison. Le plus important, comme j'ai dit, que l'opération continue, qu'elle n'épargne aucun indélicat et que l'argent public soit sécurisé. C'est le plus important. Ce n'est même pas le fait que l'argent rentre dans les caisses de l'État, mais c'est pour l'avenir. Parce que aujourd'hui, le Niger est en danger du point de vue de la sécurisation des biens publics. Je vous dis, chaque Nigérien, 4 Nigériens sur 5, quand ils ont les biens publics de leur mains, ils vont détourner. Alors, c'est parce que la pratique a, a son cours durant une période donnée on ne fait rien, comme on dit, bah, commis. Donc c'est pourquoi les gens ont déjà intériorisé ça. Celui qui ne détourne pas au Niger, c'est celui-là qui est con. C'est ça la, société dit. Vous êtes nommé ministre DG ou gouverneur ou quelque chose comme ça. Quand l'argent public passe dans vos mains, vous ne détournez pas, on dit que Wawani. Donc quand vous voyez du point de vue de l'analyse politique, du point de vue sociologique, quand une société est arrivée à ce stade de déperdition, il va falloir prendre des mesures. Et ces mesures sont celles-là des mesures concrètes qui tendent à réprimer tout ce qui est anormal dans la société. Et maintenant, petit à petit, les gens vont se rendre compte et il y aura une transformation de la société, un changement de comportement. Et, petit à petit, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être les gens vont revenir à l'ordre et comprendre que quand il y a les biens publics dans ta main, quand tu ne détournes pas, tu es à féliciter et non à prendre pour un con. Nassirou Saïdou, acteur de la société civile, responsable de la voix des sans-voix. La lutte contre la corruption, puisque nous y sommes, restons-y pour parler de ce point de presse animé ce matin par le président de la haute autorité, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia. Il s'est agi pour le président de la Issoufou Bourema, d'éclairer l'opinion nationale sur le nouveau rang du Niger dans le classement du rapport 2017 de Transparency International. Selon ce rapport, cette année, le Niger est classé 101e sur 177 pays classés avec une moyenne, de 35 points contre 99e sur 168 pays classés avec une moyenne de 34 points en 2016. À marge de ce point de presse, notre reporter Mokhtar Amadou s'est entretenu avec le vice-président de la Halsia, Salissou Oubandoma, que je vous propose d'écouter c'est vrai, euh, donc hier à quatre heures du matin, Transparency International, qui est une ONG donc, euh, qui fait ce travail toutes les années, a donc dévoilé euh, son rapport qui a classé 176 pays euh, contrairement à l'année passée où il y avait donc 168 pays. Euh, le Niger a, est classé 101e sur 176 avec 35 euh, points sur, 100. Là où on peut noter une avancée, c'est que l'année passée, en 2015, le Niger était 90e sur 168. Il faut reconnaître que cette année, les pays ont augmenté non seulement les pays ont augmenté, mais aussi les éléments qui sont rentrés en compte ont été changés complètement. Donc, euh, tout ce qui a été euh, les critères qu'on avait l'habitude d'utiliser pour donc euh, le ce calcul du de classement ont carrément été donc changés cette année. Mais dans tous les cas, ce n'est pas très important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut retenir que les éléments qui sont rentrés en compte, 2015, vous vous rappelez que c'est une année d'élection dans tous les pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs tous les pays qui ont connu des élections, si vous regardez, ont reculé. Et du fait tout simplement des habitudes et des comportements que nous savons, en tout cas à travers non seulement les politiciens, mais aussi donc les électeurs vis-à-vis donc euh, des élections, font que souvent on observe certains comportements qui ne sont pas du tout donc de nature à faire avancer des choses. Et de, de l'autre côté, il faut reconnaître que le Niger est en train de faire des avancées, des très grandes avancées en tout cas dans la recherche donc des stratégies pour pouvoir en tout cas, en tout cas lutter contre ce phénomène-là. Et rien que en novembre passé, euh, le Niger s'est doté d'une loi Halcia qui va accompagner la lutte contre la corruption, mais seulement malheureusement c'était en fin d'année et l'adoption de cette loi n'est pas prise en compte donc dans le classement de cette année. Et vous allez voir que euh, nous, on garde beaucoup d'espoir que l'année prochaine, euh, c'est beaucoup de, phénomènes seront pris en compte et le Niger va encore euh, gagner davantage donc en termes de classement et même en termes, en termes de, points. Monsieur le Président, vous venez là d'évoquer le classement au plan mondial. Qu'en est-il le classement du Niger au plan africain Au plan africain, mais c'est là où nous sommes très heureux parce que quand vous allez vous rendre compte, j'étais un coup de sur le, sur le rapport, vous allez voir que la plupart des pays qui étaient devant nous euh, par le passé, aujourd'hui, on les dépasse. C'est des pays comme, euh, comme l'Égypte, c'est des pays comme, euh, comme le Mali, c'est des pays comme la Guinée, c'est des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est des pays comme le Nigeria. Regardez, le Nigeria, façon dont ils sont dotés avec leur puissant IFCC, mais aujourd'hui, le Niger les dépasse. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut... Ça, il reste beaucoup de choses à faire faire, mais nous, nous pensons que des progrès significatifs sont en train de se faire et que nous gardons en tout cas l'espoir dans la mesure où nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait dernièrement qui n'ont pas été prises en compte, en tout cas dans ce calcul-là. Et nous avons été approchés par rapport à cela pour savoir que euh, d'autres choses seront prises en compte dans, euh, dans l'avenir pour donc, le calcul de, euh, de ce IPC-là, de cet indice. Vous faites certainement allusion à la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en décembre dernier. que est l'étendue de cette loi, euh, Monsieur le Président ah, Cette loi, je vous assure que c'est un joyau. C'est une fierté pour le pays parce que euh, a pas, je ne connais pas beaucoup de pays qui ont cette forme de loi. Euh, c'est une loi qui donne tout, en tout cas qui rend puissante la RCA. Il y a beaucoup de pouvoirs, ce sont des pouvoirs de PJ, d'officiers de, de police judiciaire. Avant, vous le savez très bien, on ne s'autosaisit pas. RCA ne s'autosaisit pas. Cette fois-ci, on, non seulement on s'autosaisit, mais aussi euh, notre rapport tombe directement donc, dans les mains du procureur. Mais le plus important, c'est que le procureur, le jour où il reçoit le rapport de l'ARCIA, il est tenu. La loi le lit. Il est tenu d'ouvrir l'information. C'est-à-dire, il est tenu d'envoyer ce dossier-là au juge d'instruction pour commencer déjà les instructions. Cette fois-ci, il n'a pas l'opportunité de la poursuite. Vous voyez comment est-ce que, de tout temps, même dans le code de procédure pénale, on a dit que le procureur a l'opportunité de poursuite. Mais rien que dans la loi de la c'est là où on a enlevé cette puissance-là pour rendre encore la plus puissante de façon à ce que nos rapports ne traînent pas. Et c'est ça le plus important. Et je crois que euh, même dans le cadre de l'enquête et des investigations, nous avons été renforcés. Nous avons été renforcés du fait que non seulement on s'était saisi, je vous l'ai dit, il n'y a aucune euh, force qui peut nous opposer, qu'on peut nous opposer. Je pense que il y a, beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à, à faire et que ça là, ça nous renforce, ça là, ça va nous aider à nous faire le travail. Et je crois que les gens, dans peu de temps, vont remarquer que la LCA qu'ils connaissaient par le passé n'est plus la même, en tout cas avec la LCA qu'il y a aujourd'hui. Monsieur le Président, est-ce que peut-on faire le lien entre l'adoption de cette loi anticorruption et l'opération Meboulala du Président de la République L'opération Meboulala de la République, il l'a pensée depuis. Et il savait que cette loi allait être votée. Parce qu'il s'est mis, il, il a mis du sien pour au moins sa majorité adopte cette loi. Quel que soit ce que ça va donner, c'est un courage. Je vous assure que ce n'est pas n'importe quel chef d'État qui, peut le faire. Tu prends une loi contre toi, parce que lui, il l'a pris contre lui, contre son régime. Parce que c'est lui qui gère aujourd'hui. Ce sont ses partisans qui gèrent. Parce que l'opposition aujourd'hui n'est ni ministre, ni directeur général, ni quoi que ce soit. Elle ne gère pas. Donc ceux qui gèrent aujourd'hui, c'est contre eux qu'on a pris euh, donc, euh, ceux qui pensent que c'est un instrument pour régler des comptes politiques euh, doivent donc cesser de rêver. Non, les gens pensent que j'ai entendu à l'Assemblée nationale lors de, du vote de cette, de cette loi-là, les gens ont fait de la tempête des un d'eau. On a dit que non, cette loi ne permet pas à l'Archa d'être indépendante, mais c'est pas vrai. Tout simplement parce qu'on a dit que l'Archa est rattachée à la présidence. Mais évidemment, la RCA, ce n'est pas un électron libre. La RCA ne peut pas être libre comme ça. Le jour où il faut défendre les textes de la l'Arcia. S'il n'y a personne qui, qui, prend ça, qui va prendre Au Conseil des ministres, qui va prendre Qui va défendre les textes de, de, de là Il faut bien quelqu'un qui est là pour défendre. À l'Assemblée nationale, qui va aller vous défendre Nous ne sommes pas membres du Conseil des ministres. Nous ne sommes pas membres du Parlement. Donc il faut bien qu'il y ait une institution qui va prendre. Et quelle est cette institution-là Il y a trois pouvoirs. Montesquieu l'a dit. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Où est-ce que vous placez la Au judiciaire Non, il ne peut pas être juge de parti parce que nos rapports finissent par tomber là-bas. Le législatif, ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont, ils sont pas dans la gestion. Donc ça ne peut être que l'exécutif. Et surtout que la est l'émanation du président de la République. Donc il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un ne la prenne pas. Toutes les institutions, quand vous prenez l'assentif, l'assentif a une loi, mais elle est rattachée au ministère des Finances. L'ARMP, elle a une loi, elle est rattachée à la primature. L'ARM a une loi, mais elle est rattachée à la primature également. Mais pourquoi Parce que tout simplement, la a une loi et qu'elle est rattachée à, une structure euh, qu'on doit penser que ce n'est pas normal. Non, c'est juste ici le lien de rattachement veut que tout simplement qu'on parle aux autres. Ça permet de parler aux autres. Donc vous imaginez que les gens qui ont fait ces critiques-là, ils ont fait une tempête dans un verre d'eau. Mais écoutez, c'est une grande avancée il ne faut pas tout rejeter dans un pays. Quand il y a une avancée, il faut la prendre. Maintenant, la loi dans tous les pays du monde, elle est dynamique. Elle peut changer. Maintenant, le jour où toi ou moi ou l'autre arrive au pouvoir, si on a le courage, on, prend, on la prend, on l'améliore. Si on pense que en enlevant tout simplement le bout de phrase, la Halcia est rattachée à la présidence, ça dérange, alors ceux qui vont venir au pouvoir prennent cette loi-là et la retouche, On enlève le bout de phrase. On va voir qui sera, qui est plus courageux que qui Monsieur le Président, depuis son institution, les Nigériens ont constaté une certaine léthargie au niveau de la Mais avec euh, l'adoption de cette euh, loi, est-ce que dans les jours à venir, on va s'entendre à une certaine vigueur au niveau de la Bien sûr, mais bien sûr, vous savez que la a évolué dans un régime de décret. Aucun pays du monde, dans aucun pays du monde, on ne peut lutter contre la corruption avec un décret. C'est comme si vous prenez un pistolet, pour abattre un char de combat. Non, la corruption, c'est un monstre. Elle a des tentacules partout. Et pour faire face, il faut des moyens appropriés. Il faut des moyens adoptés. Ce n'est pas un décret. Et ça, le chef de l'État l'a compris depuis les premières années. Il l'a compris et c'est pourquoi il nous a instruit de faire un projet de loi. Et ce projet de loi, aujourd'hui, grâce à son impulsion, le président de la République, ce projet a abouti. Aujourd'hui, nous avons une loi qui n'a rien à envier à toutes les lois des autres pays d'Afrique et même des pays hors d'Afrique. Certains pays n'ont pas cette loi, je vous ai dit. J'ai visité beaucoup de lois, certains pays n'ont pas cette loi. J'ai vu la loi de Ghana, j'ai vu la loi du Cameroun, j'ai vu la loi du Rwanda, mais la loi de Ghana, il n'y a pas ce bout de phrase où on dit que la structure est attachée à elle. Non, on a dit qu'elle est indépendante. Mais allez-y voir. Avec toute son indépendance aujourd'hui, elle ne fait pas le travail de la RCA. Tu peux être indépendant sur les papiers, mais il te faut un fonds pour travailler. Et aujourd'hui, la on est... structure anticorruption de Ghana, avec toute son indépendance, est amorphe parce qu'elle est asphyxiée du fait tout simplement du fonds qu'on doit la libérer pour travailler. Monsieur le Président, est-ce que la Halcia a les moyens de sa politique Et c'est pourquoi je pense que ceux qui ont fait ce, ce débat-là dans l'Assemblée nationale, ils auraient dû, au lieu de lutter sur ce bout de phrase-là, ils auraient dû lutter pour que la Halcia ait une autonomie une autonomie financière. De la même manière que l'Assemblée a une autonomie financière aujourd'hui. Ils ont un budget qu'ils gèrent eux-mêmes. Il n'y a pas de libération comme les autres pays, les autres services. Non, non, votre budget, vous le gérez. Aujourd'hui, la RSA, c'est qu'on doit, effectivement, au lieu de faire du bruit sur du n'importe quoi, ils auraient dû, en tant que députés, dire que non, non, pour qu'on veut que, pour que cette RSA soit euh, euh, vraiment euh, indépendante tel qu'on le veut, tel que nous le souhaitons, alors votons une autonomie budgétaire à cette institution-là. Mais aujourd'hui, on évolue comme tous les autres services avec une libération de 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8 alors que très souvent, on a des dossiers qui nous arrivent. Il faut des moyens pour se déplacer, il faut des moyens pour investiguer. Tout ça là, si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé de regarder ces dossiers sur la table. Donc je pense que c'est ça. Moi, pour moi, c'est ça l'indépendance. Monsieur le Président, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous venez de suivre Salisu Bondoma, vice-président de la Halsia. Il répondait aux questions de Mokhtar Hamadou. Le département des arts et communications de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdul Moumouni de Niamey organise depuis hier une formation de cinq jours sur le module critique d'art en théâtre et cinéma. L'objectif étant de faire découvrir au public la filière art et culture. Créée en 2014, la filière art et culture intéresse aujourd'hui bon nombre d'étudiants et d'artistes. Cette filière dispense un parcours professionnel en licence, master et doctorat et un parcours de recherche licence, master, doctorat. Un parcours aussi riche que varié selon la coordinatrice de cette filière art et culture, Antoinette Tijane Alou. Notre reporter Jalou Mariama Kenda l'a rencontré. Voici leur entretien nous enseignons l'esthétique des arts, analyse euh, de la, du secteur culturel, et puis des pratiques comme l'écriture de création, la création de films, de courts-métrages, de cinéma, le chant, la composition musicale, pour que les artistes vraiment aient des connaissances, une base très grande. Mais on s'est dit, il y a d'autres personnes qui pratiquent l'art et la culture à d'autres niveaux et qui auraient peut-être envie d'avoir une formation universitaire, même s'ils n'ont pas encore ou ils n'ont pas en ce moment la possibilité de faire une licence en trois ans. Pour cette raison, nous avons dès le début considéré qu'il fallait faire des formations courtes, des formations diplômantes de niveau universitaire, faites par des experts dans les domaines, mais qui au lieu de durer trois ans, dureraient 50 heures, soit des modules que nous donnons, soit des modules à la carte demandés par les partenaires. Et cette année, au lieu de simplement continuer à projeter, on s'est lancé carrément. Nous avons lancé donc notre premier module court, et c'est un module en critique d'art en direction des journalistes culturels de la ville et du pays. En ce qui concerne cette filière art et culture, dites-nous qu'est-ce qui a poussé ceux qui ont créé cette filière, qu'est-ce qui les a poussés à créer cette filière et est-ce que cette filière en réalité aujourd'hui euh, intéresse beaucoup les étudiants nigériens euh, Plusieurs choses nous ont poussé à créer cette filière. La première chose, c'est que notre département s'appelait département des lettres, arts et communication. Et alors qu'on enseignait les lettres, la littérature française, africaine, orale, écrite. On enseignait la communication aussi, il y avait un, a un master en communication. L'enseignement art était le parent pauvre avec à peine euh, une UE dont nous avons décidé de donner corps à la partie art de l'enseignement du département lettres, arts et communication. J'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là une artiste, euh, cinéaste, médiatrice culturelle, muséographe Catherine Martin Payandico qui était justement à la recherche d'une collaboration à l'université au même moment, comme le destin fait bien les choses. Et donc Catherine et moi, euh, sous couvert et sous mandat de l'université, du département et de la faculté, nous sommes assises pour essayer de donner un contenu, ce qui pourrait être une partie art à l'intérieur du parcours lettres. Finalement, on avait tellement de choses qu'on s'est rendu compte qu'on avait assez pour un parcours art et culture dans le département, mais totalement indépendant euh, du parcours lettres. Donc là, on s'est mis à, développer euh, tout un programme en art culture sans se rendre compte que ça coûtait excessivement cher parce qu'on n'envisageait pas seulement la théorie mais aussi la pratique. Donc la pratique de la musique, donc un piano électrique, donc un prof de piano, la pratique de la danse, donc un prof de danse, un espace de danse, donc tout le reste. Pratique du cinéma, donc des caméras, des ensembles de tournage. Chaque ensemble de tournage, même de moyenne qualité, coûte 5 millions. Bref, <laughs> ça commençait vraiment à être quelque chose de très ambitieux et de très difficile aussi. L'université nous a accompagnés accompagner dans ce processus autant que faire se pouvait. Et nous avons aussi eu à faire appel aux partenaires non publics des diplomaties culturelles de la France, de la Suisse, qui est devenue notre principal partenaire depuis 2014, de l'Espagne, de l'ONG internationale CSP, du CELTO Union africaine, du Centre culturel américain. Tellement ce programme est coûteux. Comme on n'avait pas tous les professeurs sur place, il a fallu aussi faire venir les enseignants de la sous-région, aussi en dehors du pays, du Burkina, du Bénin, du Sénégal. C'est un programme qui demande beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on avait avant ça caressé le rêve de faire en sorte que les étudiants qui se voulaient des étudiants artistes et qui étaient déjà très actifs dans des clubs, les clubs UNESCO, les différentes formations artistiques des différents départements. Certains parmi eux auraient aimé faire de la formation en art leur vraie formation. Ça veut dire donc que c'est une filière en réalité qui intéresse les, les étudiants nigériens, des nigérien C'est une filière qui intéresse un certain nombre d'étudiants qui ont vraiment la création, l'art, la culture, le patrimoine, leur gestion, leur création à cœur. C'est une filière, quand on a créé, il y a des artistes de la ville qui ont dit, ouf, enfin, si ça avait existé de notre temps, c'est ce qu'on aurait étudié. C'est quand même pas évident parce que autant euh, des, des étudiants qui sont dans le move, comme ils aiment à le dire, comprennent toute l'importance de l'art et la culture et comprennent qu'il y a des débouchés dans l'art, de la culture, si on le fait bien. Il y a quand même tout le défi de faire comprendre à leurs parents que devenir euh, responsable de musée passe par une formation en agriculture, que devenir un bon cadre du ministère euh, de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale passe par un bon master en agriculture euh, du fait que être responsable des musées, des centres de jeunes, qu'on a vraiment besoin de gens formés et qu'on les a pas parce que beaucoup des cadres dans ces structures de l'État ne sont pas formés, alors que le ministère de la Renaissance culturelle cherche déjà cette année à, embaucher 200 cadres. Vous abordez la question des débouchés, vous abordez aussi une autre question très importante, l'amélioration de ces experts euh, ou bien de ces agents de culture. Aujourd'hui, on parle des journalistes, on parle parle des agents du ministère de la Renaissance culturelle, comme vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette filière-là, vous pensez qu'il y aura vraiment une, amélioration pour même le paysage euh, culturel euh, de notre pays On l'espère et on travaille dans, dans, dans, dans, dans cette direction-là. Paysage artistique et culturel au Niger a besoin d'être développé, a besoin d'être professionnalisé. Et qui dit professionnalisation dit formation. Aujourd'hui, il existe existe des compagnies de théâtre, il existe des troupes qui euh, essaient d'émerger. Mais pour émerger, il faut avoir des financements. Donc pour capter les financements, il faut savoir monter les dossiers de financement, il faut donc avoir suivi des cours en gestion culturelle, il faut savoir comment monter. Nos étudiants apprennent cela dans leurs cours. Ils ont des cours, il y a des experts qui viennent dans le, pour savoir monter un projet culturel, gérer un projet culturel dans son environnement. D'ailleurs, c'est un des modules qu'on offre au public des cadres de la culture du 6 au 10 février prochain. Vous venez de suivre euh, Madame Antoinette Tijani Alou, qui est coordinatrice de la nouvelle filière Arts et Culture à l'Université Abdou de Niamey. Elle répondait aux questions de Diallo Mariama Kenda. Et c'est ici que prend fin le forum de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence pour le forum de la presse. Au revoir.